notre émission Le Niger sur Kalango a sonné. Chers auditeurs, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous accompagner sur cette émission. Au micro, je suis Habiba Ahmed. À mes côtés, j'ai Rukayatou Abderrahman. Bonjour Rukaya, comment tu vas Je suis très en forme Habiba. Alors, quel est le programme d'aujourd'hui nous avons un programme riche et varié pour nos auditeurs. D'abord le flash d'information, la rubrique éducation numérique, la chronique loti, la page sport et de la culture linguistique. L'entretien du jour nous emmène au Mali et nous aurons l'occasion d'écouter Fatima Maïga, experte des questions sécuritaires dans le Liptako Gourma. Le Niger c'est Kalangu, c'est aussi la consommation 100% de la musique nigérienne. Top, c'est parti pour une heure. Chers auditeurs, veillez suivre euh, le flash avec Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Bonjour Rukayatou, bonjour Habiba. Le flash d'information à présent. La société de transformation et de commercialisation de l'oignon du Niger, Sotraco, et le groupe Galafi Agro-Industrie du Togo ont signé mardi 6 février un mémorandum d'entente. Euh, Ce mémorandum vise à développer la filière oignon à travers la, la production et la transformation industrielle des oignons sur une superficie totale d'environ 50 000 hectares afin de produire des bulbes sains. La Sotraco œuvre pour soutenir les orientations du gouvernement du Niger dans le développement des pôles agro-silvo-pastoraux pour la transformation des produits agricoles industriels afin de générer des revenus et d'emplois pour les producteurs agricoles, particulièrement les jeunes et les femmes dans les bassins de production. La deuxième édition du Festival du livre africain de Marrakech s'ouvre aujourd'hui jeudi 8 février au centre culturel Les Étoiles de Diama El Fena et s'étalera sur plusieurs sites de la ville jusqu'au 11 février. Cette deuxième édition propose au programme des thématiques inscrites dans l'actualité scientifique et éditoriale de l'Afrique, de ses diasporas et de ses descendants. Elle consacre euh, surtout une place particulière à la réactivation et à la consolidation des mémoires et des liens indéfectibles qui unissent euh, tous les Africains partout où ils se, trouvent. Une cinquantaine d'écrivains issus des 25 pays d'Afrique euh, sont attendus au Côte d'Ivoire 2023, le pays hôte, la Côte d'Ivoire, a validé hier son billet pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en l'emportant sur la République démocratique du Congo par un but à zéro. Les éléphants ont validé leur qualification grâce à une volée lobée improbable de Sébastien Haller à la 66e minute. Quelques heures plus tôt, le Nigeria a éliminé l'Afrique du Sud au au terme des tirs au but dans la première demi-finale de cette Cannes 2024. Le décor est ainsi planté. Le Nigeria croisera le fer avec la Côte d'Ivoire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 le 11 février. Et c'est tout pour le flash d'information de ce jeudi 8 février 2024. Merci Mokhtar pour toutes ces informations. Dans un instant, nous vous proposons l'analyse de la situation politique en Afrique de l'Ouest marquée par les différents qui ont pose la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Alliance des États du Sahel. Fatima Mega nous en dira plus dans cet entretien. À présent, savourons les titres bébés de Fatima Rico. ke mapukaku cây grandit pendant quelques années au Mali où elle découvre de nombreux instruments. De plus, son oncle dont elle est très proche n'est autre que docteur Keletegui Mariko qui jouait à l'époque dans l'orchestre de l'amical de Niamey. C'est en 1986 qu'elle débute sa carrière au sein du groupe Marhaba, dont le guitariste était l'un de ses oncles Toroba. C'est dans ce groupe, c'est dans ce même groupe qu'évolue également celui qui deviendra son mari, Brema Mamoudou. Fatih s'impose rapidement comme chanteuse principale dans la formation Marhaba. Après le décès de son mari Brema Mamoudou, le groupe Marhaba a eu du mal à se relancer. C'est ainsi qu'elle s'est au CFPM Taya. En 1996 sonne la fin du projet CFPM et l'éclatement de l'orchestre donc la dispersion de musiciens. Deux ans après, en 1998, Fatih ressuscite le groupe Marhaba en compagnie de quelques amis. Chers auditeurs, c'était Bébé de Fatima Rico. Entamons la première partie de notre entretien. Selon Fatima Mega de l'Association de femmes pour les initiatives de paix au Mali, également experte des questions sécuritaires dans les Gourma, l'insécurité dans la zone du Sahel crée des violations de droits immenses des personnes vulnérables qui sont les femmes et les enfants. Elle est interrogée par notre envoyé spécial Tarnan Foudé Ahmed. Aujourd'hui, comment pouvez-vous nous présenter la situation sécuritaire, surtout celle des femmes euh, du liptako Gourma, euh, également dite zone des trois frontières Concernant euh, la région du liptako Gourma, c'est une zone très vaste avec dans chaque pays des régions couvertes par le liptako Gourma bien définies. je pense qu'au niveau du Niger, il y a des régions qui sont concernées Liptako Gourma. Au Mali, il en est de même. au Burkina aussi, il en est de même. Il y a que cette région du Diptako-Gourma, qui est ancienne, les gens pensent que c'est nouveau, c'est vraiment ancien, était beaucoup centré sur les questions de développement et les questions d'intégration communautaire. Malheureusement, euh, ça fait une dizaine d'années, cette zone est en proie avec euh, une crise malheureusement communautaire soutenue par je ne sais qui et ça rend euh, la zone euh, invivable et insécure. Pourtant, c'est la zone à outrance de développement du Sahel. Mais euh, l'insécurité de la zone du Sahel crée énormément de violations des droits humains. Et surtout sur les questions des personnes faibles. Quand je dis faibles, c'est ceux qui ne peuvent pas se défendre facilement. C'est les femmes, c'est les vieilles personnes, c'est les handicapés, c'est les enfants. Moi, je ne parle pas des jeunes, c'est les enfants. Et ça, c'est à beaucoup de niveaux. Il y a la question des droits à la vie qui sont menacés. Ça veut dire que l'intégrité physique des populations est vraiment très menacée. Les questions de survie, c'est-à-dire euh, les gens ont des difficultés pour cultiver, les gens perdent leur bétail. Le bétail va où <laughs> Moi, c'est la, la question que je me pose tout ce bétail ramassé dans la zone des trois frontières, elle va où C'est pour ça que je continue à me poser la question de complicité. Il y a ce qui ne s'est jamais passé dans le Sahel. C'est le cas des viols. Les populations du Sahel préfèrent mourir, disparaître de la terre que de dire qu'un homme a violé une femme. Malheureusement, c'est ce qui est en train de se faire chez nous aujourd'hui. Voilà les difficultés que nous avons aujourd'hui. Vous avez évoqué quelque chose qu'on ne connaissait pas au Sahel, mais qui est en train d'arriver ou qui est même arrivé, question des viols. Selon vous, qu'est-ce qui explique cela Moi, je pense qu'il y a d'autres acteurs sur le terrain qui ne sont pas seulement les enfants du Sahel. Si j'ai dit qu'il y a d'autres acteurs, c'est parce que la guerre s'est communautarisée. Malheureusement, c'est dur, ce n'est pas bon à dire, mais il y a certaines communautés qui pensent qu'il faut aller chercher leurs parents dans d'autres pays pour les, amener dans la zone et les associer au combat, même si vous parlez la même langue. Même si vous êtes de la même communauté, si vous n'avez pas la même culture, vous n'avez pas les mêmes valeurs, forcément ça va se faire. Et je pense aussi que quelque part, on a monté les communautés les unes contre les autres. Et pour faire mal à une communauté, c'est très facile, vous faites mal à sa femme. Mais ce qui est certain, c'est que le viol est la chose la plus horrible. Pour la femme, c'est vrai, mais pour l'homme aussi qu'il a commis. Et avec des conséquences. Dans le conflit au Sahel, euh, aujourd'hui, quel est le rôle que les femmes doivent jouer pour le retour de la paix au Sahel euh, Ce que je voudrais dire, j'ai suffisamment de regrets de voir qu'il n'y a pas un combat global j'ai l'impression que chaque femme est restée derrière son gouvernement ah, dans son pays, alors que nous partageons les mêmes familles. Quand vous prenez tout le long du Sahel, par exemple Tera. Moi, je prends Tera parce que je suis de Tera. Malienne que je suis, je suis de Tera. Ça va étonner certaines personnes. Quelqu'un dont les parents ont une maison, c'est mes arrière-grands-pères qui ont leur maison à Tera. Ce sont mes parents qui sont à Tera. Ce sont mes parents qui sont à Mehenna ce que personne ne sait, c'est que euh, moi, j'ai perdu au moins trois de mes grands-pères côté maternel à Ouzarba, qui sont tous enterrés là-bas, parce que j'ai de la famille là-bas. Vous voyez, quand vous prenez la zone euh, du Gourma du Mali, hein, quand vous prenez Ombori, quand vous rentrez, vous marchez dans le Mali jusqu'à rentrer au Burkina. C'est la même chose du côté du Niger. J'ai vécu toute mon enfance à Labzanga. La borne frontière, c'est un ravin. Les gens de Koutougou, ils ont leur champ du côté du Mali, tout comme les gens de Labzanga ont leur champ du côté du Niger. Donc, c'est les mêmes populations. Ça semble être la même chose partout, d'ailleurs, le long de nos frontières, et que les populations ne parviennent pas à traîner les politiques de leur côté, parce que malheureusement, les politiques nous ont mis dans un système de nationalisme où chacun euh, laisse ses propres intérêts pour se mettre euh, derrière euh, les gouvernements. Ce que vous ne voyez jamais en Europe d'ailleurs. Fidèles auditeurs, nous allons repartir en musique avant de revenir avec la deuxième partie de cet entretien. Suivant, nous allons écouter plutôt Yarda de Barakina. Barakina, juna malam bai yarda da boka ba bokan bai yarda da malam ba kowa bai yarda da kowa ba kowa bai yarda da kowa ba mata ba su yarda da gayu ba gayu ba su yarda da mata ba kowa I am ba mu De son vrai nom, Moubarak Issoufou Oumarou Barakina est un artiste nigérien révélation musicale de l'année 2017. À travers sa parfaite maîtrise du rap, de l'afro-trap, de la trap hausa, de l'afrobeat et surtout son sens du devoir et du professionnalisme. Il est l'un des artistes urbains le plus célèbre du Niger, dit ambassadeur de la culture du pays. On vient d'écouter son chanson, sa chanson plutôt Yerda, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Niger sur Kalangou, une émission d'information et de divertissement. Poursuivons notre entretien. Ce que nous voulons, c'est d'amener les populations à se mobiliser autour de cette crise. Et les gens les mieux indiqués, ce sont les femmes, parce que ce sont les femmes qui peuvent parler aux jeunes, parce que c'est les jeunes qu'on a manipulés, qu'on a endoctrinés et enrôlés dans cette violence. Quand on viole les femmes, quand on tue des populations, quand on brûle des champs, quand on vole, on, enlève tout le bétail de, tout un village ou bien de toute une région, là, euh, on n'entend rien et finalement, on a beaucoup de confusion dans nos têtes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire je pense que soit les femmes poussent les décideurs à prendre une décision, soit les décideurs prennent une décision pour faire parler les femmes. Mais ce dont je suis sûr, c'est que les femmes qui vivent dans l'horreur là-bas, chacun fait ce qu'elle peut. Hein. Ça, au moins, je le sais parce que je dors à Bamako, mais mon cœur bouge pour les tiroirs parce que je suis de là-bas. Vous êtes obligé d'être très sensible à cela. Et puis après, je suis une personne qui n'aime pas la violence qu'elle soit dans le Sahel, qu'elle soit dans la région, qu'elle soit partout dans le monde, je suis anti-violence. Une autre question aujourd'hui, c'est la dynamique engagée euh, par certains pays du Sahel euh, qui se sont regroupés autour de l'Alliance des États du Sahel. Une euh, dynamique qui prend forme. Selon vous, est-ce que cette alliance dite des États du Sahel peut changer la situation sécuritaire et ramener la paix au Sahel d'ici proche C'est ce dont moi j'accuse beaucoup le politique, c'est de ne pas donner la vraie version des orientations. Parce que les gens pensent que l'AS c'est aussi une autre dimension politique, euh, économique, sociale et culturelle. L'AS c'est vraiment sécuritaire. Si, euh, tel que ça nous a été expliqué, si ça se passe comme ça, je pense que ça va aller, mais il va falloir que les gens tiennent beaucoup compte du respect des droits humains. Et hum, Malheureusement, le G5 Sahel a passé par là, ça n'a pas bien marché. La force d'attente de la CDAO, on ne la voit pas opérationnelle. Et quand nous avons posé la question aux responsables sécuritaires des trois pays, la seule question que nous avons cherché à savoir, c'est quelle est l'architecture sécuritaire de l'AIS. E Parce que euh, le G5 Sahel, sur les autres plans, ça aurait pu marcher, même si ça n'a pas marché. Maintenant, l'AIS, e qui a été décidé euh, du moins par les trois dirigeants, tous issus du coup d'État. Je ne sais pas après, quand ils vont organiser les élections, les chefs d'État qui vont prendre en main les destinées de nos trois États, est-ce qu'ils vont continuer avec l'esprit ou pas mais je pense que c'est une très bonne chose parce que c'est pas un état-major commun. Comme le G5 Sahel qui avait son état-major, vous avez certainement suivi le scandale du Mali où on a retiré au Mali la gestion de l'état-major six mois avant la fin de son mandat. Et ça, c'est dû aux ingérences étrangères. Et ce que l'AS évite, c'est d'avoir des ingérences étrangères dans sa gestion. Et chaque pays reste chez elle. Et chaque fois qu'un pays a besoin de l'assistance militaire des nôtres, tout le monde va, on vient, on gère le problème et chacun retourne chez lui. Donc personne ne peut dire non, c'est mon argent qui est là, donc euh, si c'est mon argent, il faudrait qu'on informe euh, un tel, il faut que le Conseil de sécurité des Nations Unies donne son feu vert. Ça, ça n'existe pas là. Ce qui veut dire que ça peut bien marcher. Et d'ailleurs, c'est une des préoccupations que les acteurs qui travaillent sur ces questions à un certain niveau ont demandé à la région ouest africaine, trouvez-nous un système qui peut prendre en compte la sécurité de la région, parce qu'on est quand même euh, dans une zone très sensible, à l'image de l'OTAN. Parce que je vous dis clairement, il n'y a aucun pays membre de l'OTAN qui peut défendre, assurer sa sécurité à elle seule. Mais quand sa sécurité est menacée, c'est l'OTAN de manière globale et générale qui vient. Personne n'ose aller faire ça. Sinon, vous voyez qu'il y a eu des attentats en, France très souvent. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Moi, en tout cas, je n'ai pas beaucoup de problèmes à comprendre la politique de l'AS sur le plan sécuritaire, parce que c'est sur le plan sécuritaire. Et c'est ce que j'ai dit chaque fois. J'ai dit tout comme on s'est tu sur le traité de la CDAO, il faut qu'on évite de se taire sur les autres engagements. Qu'on informe clairement la population, qu'on nous dise exactement voilà l'orientation, Mais puisque c'est des questions de sécurité, on nous dira aussi non, c'est fermé. Rien n'est fermé aujourd'hui. Tout le monde est au courant de tout. Maintenant, si on ne nous explique pas bien, on manipule comme on veut on interprète comme on veut, dans le bon sens comme dans le mauvais sens, et ça c'est très dangereux pour euh, les des pays comme nos pays. Sauf que je pense que dans cette démarche, il faut aussi respecter, mettre un accent particulier sur les droits à la vie des communautés, parce que la crise là, elle est asymétrique. Ce qui s'attaque à nos États se dissimule aussi dans la population et souvent ça peut créer des bavures. Mais moi j'approuve en tout cas la démarche politique de Ss vous venez d'écouter là la deuxième partie de l'entretien avec Fatouma Meiga où elle a demandé à la population des États membres de l'AES de se mobiliser autour de la crise sécuritaire. Elle était au micro de Tanan Foudé Ahmed. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Il est 11h passé de 25 minutes. Notre émission Le Niger sur Kalangou se poursuit avec la rubrique hebdomadaire consacrée à l'éducation numérique. Comment se fait la vérification d'une vidéo sur Internet C'est le thème de notre rubrique hebdomadaire éducation de ce jeudi et c'est avec Ousmane Mamoudou. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, la rubrique éducation, on va voir comment en fait vérifier des contenus multimédia, en particulier la vidéo. Donc aujourd'hui, avec l'ère des réseaux sociaux, il y a des vidéos qui viennent de partout, que ce soit de Facebook, de YouTube, euh, même sur WhatsApp, ça circule beaucoup dans les groupes et souvent, bon, on est tenté de partager, même si on ignore euh, la provenance, etc. D'accord. Oussou, quelles sont les règles de base pour vérifier une vidéo sur le net Alors, je vous ai préparé quatre principaux points. On va voir aussi qu'il y a quelques outils qu'il euh, faut quelque part noter qui peuvent vous servir. Donc, quatre petites règles de base euh, qui vont vous aider vraiment à un peu commencer une petite investigation. Donc, mhm. dès qu'on voit une vidéo n'importe où, n'importe quel type de plateforme, euh, la première chose qu'il faut regarder, c'est est-ce que la personne qui l'a partagé est une source fiable C'est-à-dire, est-ce que c'est une personne ou un journaliste ou une autorité publique euh, ou, je euh, je sais pas, une autorité communale en tout cas, à laquelle on croit Donc, il faut regarder cet aspect-là. Donc, euh, il ne faut pas avoir tendance souvent à partager directement des contenus publiés par des individus dont on ignore l'identité et pas mal de choses. Le second point, c'est de regarder les éléments de preuve. Alors, un élément de preuve, c'est quoi C'est tout ce que vous allez corroborer comme date, comme des indicateurs dans la vidéo. Souvent, dans des vidéos, vous avez des panneaux publicitaires, des affiches dans la rue, toutes sortes de signalétiques qui peut vous aider à recouper les sources pour dire ah par exemple cette vidéo là ça c'est pas par exemple une plaque qu'on trouve à Niamey mais à Bijon ou à Zender ou à Gadez au niveau local ou non, ça c'est pas le marché de Niamey, ça on sait que c'est le grand marché peut-être de Maradi. Donc des types d'infos comme ça qu'il faut recouper, etc. Je sais que par exemple, beaucoup de pays ont différentes sortes euh, de feux rouges, de feux de circulation, même les plaques d'immatriculation des véhicules. Hein. Exactement, la couleur des taxis. Donc tout ça, ce sont des petites preuves qui peuvent être mises ensemble pour déduire quelque part la provenance de la vidéo. Ensuite, euh, vous avez un troisième élément qui est aussi assez crucial, c'est de regarder la qualité de la vidéo. En général, quand vous voyez une vidéo qui de base est floue, il faut commencer à vous poser des questions. Donc, essayez de chercher la version en HD, en haute définition, pour arriver à voir exactement ce qui se passe sur la vidéo. En général, quand c'est flou, c'est que très souvent, les personnes qui font de la manipulation essaient de cacher des détails qui peut vous empêcher d'investiguer plus loin pour savoir d'où est-ce que ça vient. Mais il faut être professionnel pour savoir ce genre de, de trucs. Mais si on n'est pas professionnel, comment on peut le détecter Enfin, pas du tout. pour ce type de remarques-là, je pense qu'on n'a pas besoin d'être professionnel. N'importe qui. oui, si une vidéo est floue, j'ai pas besoin d'avoir un doctorat en photographie pour le savoir. On est d'accord. Donc ça, c'est des petites règles que tout le monde peut appliquer. Et enfin, le dernier point, le quatrième, concernant les règles de base, c'est euh, les commentaires qu'il faut lire sous tous les contenus qu'on voit, en particulier les vidéos. Donc, souvent, les gens, ils donnent déjà des, des, indications dans les commentaires. Souvent, il y a des pistes déjà que des journalistes ou bien des citoyens lambda ont déjà donné. Ah non, ça, c'était pas ici, on a vu ça là, donc on a vu ça, etc. Donc, lisez les commentaires, c'est super important. Et enfin, on va passer aux outils qui vont les outils de vérification en ligne, c'est ça Oui, exactement. Donc, euh, si vous souhaitez devenir, euh, euh, je sais pas, un expert en vérification de vidéos, alors il existe trois outils principaux qui fonctionnent très bien, qui sont utilisés par les professionnels cette fois-ci, on va dire ou des blogueurs ou des internautes, en tout cas qui s'intéressent à faire de la vérification. Donc, ou des journalistes. Ou des journalistes tout simplement. Mhm. Donc le premier outil, c'est ça sera la recherche, ce qu'on appelle la recherche inversée dans Google. on a vu la semaine passée. Alors c'est quoi Dans Google, il y a euh, dans la barre de recherche, il y a tout à droite, il y a une petite icône de caméra, d'appareil photo. Donc vous glissez votre image là-bas. Euh, dans cette section et Google va vous ressortir la toute première occurrence de la vidéo sur le web. Quand est-ce qu'on a vu cette photo ou cette vidéo apparaître la première fois sur Internet Donc ça va vous aider à remonter les sources. Il y a aussi un autre outil similaire qui s'appelle TinEye, qui s'écrit T-I-N-E-Y. Mhm. Tin et des yeux, donc qui fait à peu près la même chose. Après, vous avez un outil, cette fois-ci, de vérification vidéo mise en place par Amnesty International. Donc très facile à trouver, vous tapez outils vérification vidéo Amnesty International, vous allez le trouver. Et donc lui, comment il fonctionne, vous copiez le lien YouTube de la vidéo, vous l'intégrez dedans et il va vous la rechercher partout où elle est apparue. Mais le problème, c'est qu'il est limité à YouTube. Donc si vous voyez une vidéo sur WhatsApp, par exemple, l'astuce c'est de télécharger la vidéo, la renvoyer sur YouTube, et de lui dire de la rechercher. Donc il va regarder partout où il a vu des séquences, etc. Et le dernier outil, c'est un petit plugin qui s'appelle InVid, qui est très très bon. Donc lui, un plugin, donc c'est une petite extension supplémentaire que vous allez ajouter à votre navigateur Chrome, Firefox, qu'importe. Donc une fois qu'il est intégré, vous le mettez la vidéo et lui, il va se charger de vous la découper, de trouver tous les éléments qui peuvent vous permettre de corroborer la vidéo. Merci. <laughs> On devient 2.0 dès qu'il passe <laughs> au studio. <laughs> Merci. merci beaucoup. Je à bientôt. Bye bye. Bye. Voilà, fidèles auditeurs, nous allons encore faire une autre balade musicale avec Didi en son de Abel Zamani. gogoro ko zamane mapko inson samune inson samune stay Salifou Barké du groupe Tandé, communément appelé les Tandistes, Abel Zamani de son vrai nom, Abdoulaye Salifou Barké, précurseur de l'afro-pop au Niger, un style de musique qu'il adore faire dans les langues locales et internationales. Lauréat du Big Bounce dans en, 1900, en 2000, il sort son premier album Niger Zamani en 2015. scenario. Let me be your carrier. You're sweet like vanilla. I fall in love with you. It's so sad. Zamani. Place à l'écho des régions Ruki. Oui, Habiba, la rubrique écho des régions de ce jeudi nous conduit à Difa pour parler d'une nouvelle décision prise par les autorités de la région. En effet, la récente décision des autorités locales de DIFA d'autoriser la reprise des activités des tricycles après une interruption temporaire a suscité un débat au sein de la population. Pendant que certains expriment des inquiétudes, d'autres saluent les clarifications apportées par les responsables locaux sur cette mesure. Cependant, l'introduction envisagée des tricycles aux couleurs différentes marquera un changement notable dans le paysage urbain de la ville. Le reportage est signé Guy Abdraman. Suite aux récents événements à Difa, l'interruption temporaire de la circulation des tricycles de fin janvier à février 2023 a suscité un débat animé au sein de la population. Après des réunions entre les autorités communales et coutumières, la reprise des activités des tricycles a été autorisée sous la supervision d'un comité chargé de leur sélection. Cependant, ces décisions ont euh, généré des réactions mitigées parmi les habitants. Réaction de la population. matsala sosai mutu yana so a ɗauki kayan shi kaga gashi yanzu da buhuna bakin kasuwa amma ban da wanda zai ɗauka min kowa na tsoron doka idan ka ɗauka ana hukunci a kai kuma an goyi mu da nisa ka gani daga nan zuwa dubai ina ce zan kai buhuna gashi nan ba zan iya kaiwa ga kai ba sai dai ɗora mai kura in bi bayan shi daga nan har zuwa dubai kaga abu akwai matsazi gaskiya inda hali a gyara mana a samu dai a dinga dan daukan kaya ko da na ce fanye ne sun zo daga bulaguro aka gaya mini na rasa na ma ne zan yi na tare na fe daya biyu zuwa uku aka ce mun ba dukan kaya na rasa ya ne zan yi dole na sai na nemi mai bero ya tura a cikin yi ina biyar bayan shi hakan ma ina jin tsoron kar a je mai beron ya yi gudu ya tai da kayana kaga wannan bai dace ba amma wannan gwamnati ta sassauta mana ta diba irin matsayin da muke ciki angoyi ne gari yanzu ba irin na da bane balle ka ce nan kusa ne angoyi nisa gare su kenan ya kamata gwamnati ta diba ta tallafa mana ta gyara mana a sa yan adaidaita su ringa ɗaukan mana kayayyakin mu Amadou Aboubakar, membre du syndicat de tricycle, a appelé les autorités à considérer cette situation, exprimant ainsi les préoccupations de nombreux membres de la communauté. Kiran da nake ga hukumomi ya kamata su duba wannan abun. Eh, wahalan ba na mu kaɗai 'yan nafe ba ne, wahala ne na al'umma na cikin gari. Yau al'umma ne suke kuka da mu daukan kaya, eh, hukuma ta duba wannan abun. Su sauƙaƙa mana mu dauki kaya na mutane. Dan mutumin da zai zo a kalla a ce mutum ya magiranci ne mai mace hudu ko mai mace uku. In ya sai buhun shinkawan shi uku ko hudu wannan ya kamata a ce an ba mu daman ɗaukan kayan na Mutumin da ya dawo daga bulaguro ya kamata kayan shi da ya zo da su a ba mu dama mu dauki kaya tunda bai yiwa ya hau mashin ya tai gida ya dora ma mai bero yana jiran shi kuma bai san mai bero ba a bari mu ringa daukan kaya na fasinjan da muke tare da su da Allah su duba wannan lamarin abun ba mu kadai bane ya shafi hal al'umman gari kuma al'umman gari din to in ba su hau mashin ba ha to mu babu magana mu en réponse à ces inquiétudes Ousmane Manga de la société civile et membre du comité de sélection des tricycles à la mairie de Difa a apporté des éclaircissements pour dissiper la confusion il y a eu un comité ici dans la commune de Difa qui a été mis en place pour la sélection de ces tricycles. Notamment, si tu vas au marché, tu achètes un petit sac de riz ou deux petits sacs de riz ou bien tu achètes un bidon d'huile où tu achètes ton sachet de maca, où tu reviens d'un voyage, tu as ta valise, puisque euh, le derrière du, du tricycle, il y a une sorte de bout où tu peux mettre les bagages. On a dit là-bas, vous pouvez prendre les bagages. Un petit sac, deux petits sacs, ça peut les prendre. Si c'est débordé de l'autre côté, tu peux mettre ça entre tes pieds, pourvu que tu n'entraves pas un autre passager. Donc voilà ce qu'on a dit. Mais ce qui est de bagages lourds, là on a dit il est strictement interdit. S'il y a quelqu'un qui par rapport à ces petits bagages-là a été interpellé par la police, nous avons la police, nous travaillons avec, ensemble avec eux. Ils peuvent nous contacter et on va aller régler la question. De plus, euh, la proposition des autorités de changer la couleur des tricycles semble avoir progressé avec euh, désormais plus de 1000 tricycles circulant dans la ville de Difa, reflétant ainsi un changement notable dans le paysage urbain. C'était un reportage réalisé par Guidi Abderrahman en espérant que nos auditeurs de la région de Dufa nous écoutent sur cette émission à travers notre radio partenaire d'Illeram Ingigmi 99 MHz. Si tel est le cas, vous avez nos salutations. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou. À présent, c'est le rendez-vous du sport. Nous avons déjà notre chroniqueur sportif Hassoum Gourouza. Bonjour Azul. Ah, bonjour Ruki, bonjour Abiba. Bonjour Grouza. Les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine u 17 FIFA deuxième tour zone Afrique se déroulent au Maroc et le MENA a été bâti par la sélection marocaine, n'est-ce pas Grouza ah Oui Abiba, les gazelles U-17 du Niger ont été croquées, croquées je dis par les lioncelles de l'Atlas du Maroc sur le score, je vous dis, euh, sur le score de 11 buts à 0. Et cela s'est déroulé au stade municipal de Berkane en match aller euh, de cette euh, compétition. Certes, les Nigériennes sont parties pour apprendre, mais beaucoup reste à faire pour elles. Le match retour Maroc-Niger aura lieu demain, vendredi, toujours au stade Berkane Notons que 12 équipes se qualifieront euh, pour le troisième et avant-dernier tour de ces éliminatoires. Gourouza, la 15e journée de la Super League de football a débuté hier où les premiers matchs ont eu lieu sur les différents stades du pays. Euh, oui, euh, Rookie Espoir de Zender a accueilli l'Urana Darlit au stade Lawandidi de Zender. Esfan, leader du championnat, a affronté le Tagour provincial de Dosso mais nous n'avons pas eu les résultats. Nous y reviendrons plus en détail. Demain 9 février, il y aura Azumunta S Garde nationale. Renaissance sera face à la Douane au stade général Séni Kunche Dunyami. JST de Tawa accueillera l'Akokana d'Arlita les 11 et les 10 et 11. Il y aura Sahel Sporting Club euh, Ice Police de et la Nigelex face à la gendarmerie au stade euh, Grouza, on connaît à présent les finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Oui, Abiba, ce sont les Super Eagles du Nigeria et les éléphants de la Côte d'Ivoire. Le Nigeria a dû attendre les tirs au but pour battre l'Afrique du Sud hier à Boaké pour se qualifier en finale de cette Coupe des Nations. La Côte d'Ivoire rejoint le Nigeria en finale en battant en demi-finale la République démocratique du Congo par un but à zéro. La finale de cette canne aura lieu dimanche 11 février 2024 entre le pays hôte, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Ce sera une véritable rencontre car, car les Ivoiriens joueront devant leur public et les Nigériens ne vont pas se laisser faire. Voilà pour le sport. Merci bien, Gourouza. Bonne journée. Merci. Chers auditeurs, les Niger sur Kalangou, c'est aussi les portraits des hommes et des femmes. Rukaya, qui allons-nous découvrir aujourd'hui dans la rubrique portrait Habiba La Lumière, aujourd'hui, est sur Serge Clément, alias Tiacho. Vous le connaissez certainement avec ses passages sur le petit écran avec sa bande d'amis. La famille, c'est nous. Le portrait est signé Maria Madi. Âgé d'une trentaine d'années de son nom à l'état civil Anatovi Clément Serge Sébastien, il est connu sous le nom de Tchacho, Créateur de la famille Sienou, il est natif de Zander. Tchacho est un artiste comédien, producteur, acteur qui gère aujourd'hui une agence de production audiovisuelle. Il nous raconte ses débuts dans la comédie. Alors, euh, je dirais Serge Clément, c'est un jeune euh, Nigérien né à Zender euh, qui a commencé un peu sa, petite carrière depuis le, primaire, euh, parce que j'ai j'ai dit toujours moi, je, je suis né dans, le cinéma, je suis né dans le jeu d'acteur et tout, euh, petit-fils d'un écrivain et historien et aussi dans le domaine du cinéma, le professeur André Salifou. Donc très bas âge déjà, j'ai commencé à lire, à écrire et à découvrir ce quoi le cinéma. J'étais toujours dans l'équipe euh, euh, à l'école quand on tournait et tout. Aussi, euh, quand j'étais venu au Britannique militaire, je passais mes week-ends chez mon grand-père. Du coup, je lisais beaucoup de, livres, des œuvres qui parlaient du cinéma et tout. Aussi, mon grand-père, c'est lui qui a écrit l'un des premiers films nigériens, Si les Cavaliers. Et ça, ça aussi, ça, ça fait partie des choses qui m'ont inspiré. J'ai commencé en tant que comédien déjà, c'était en 2005 comédien confirmé. Sinon, depuis le primaire, le collège, j'ai toujours été dans l'équipe culturelle de, de toutes les écoles. Mais en tant que professionnel, j'ai commencé la comédie en 2005. Euh, un an après, j'ai commencé à partir des petites informations, j'ai commencé à réaliser moi-même et à prendre les choses en main. Donc je dirais concrètement 2006-2007. Pour Chacho, son équipe est sa force. Sans elle, point de succès ou de visibilité. La vidéo, en fait, elle est devenue un travail d'équipe. Et quand l'équipe euh, comprend, c'est plus facile de jouer les, les doubles casquettes. Souvent, en réalité, dans le fond, on fait la mise en scène, on signe le réalisateur, mais c'est pas un travail qui a été réalisé par une seule personne. Mhm. C'est toute l'équipe qui le réalise. C'est juste le chef du projet, tu l'accompagnes, euh, tu signes en tant que réalisateur. Aujourd'hui, si j'arrive à porter toutes ces casquettes, c'est parce que derrière moi, il y a, des jeunes mhm. qui, sont assez expérimentés, qui y croient et qui accompagnent euh, un peu, voilà ce que je dirais. Tu parle des difficultés auxquelles il fait face dans le domaine de la comédie. Alors, euh, les difficultés, c'est malheureusement énorme. Parce que nous sommes dans, dans un pays où euh, on n'aime pas local. Si tu veux faire un nom, si tu veux réussir, il faut que tu quittes le Niger et que tu te fasses un nom. Euh, à la limite, on commence à te considérer. Sinon, moi, je le dis sans fausse modestie, en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas un pays qui regorge du talent comme le nôtre. Pour Tacho, la population nigérienne doit prendre conscience de la force et du talent de leurs artistes et les soutenir. Merci marie Madé pour ce portrait. Alors, fidèles auditeurs, pour boucler notre playlist, je vous propose le son Veni Vidi Vici de Big Fadi. when you overlook the sweet rings, And I like to think that my wings, they are fly like Alors, euh, Veni Vidi Vici, c'est le son que vous venez d'écouter de Big Fadi. Big Fadi Fadumata qui évolue et vit aux États-Unis. Chers auditeurs, nous allons enchaîner avec la chronique Loti qui traite des problèmes de kidnapping, enlèvement des enfants dans les grandes villes. Un phénomène qui inquiète les parents. On écoute Rekia Arimi, Asuma Nashina et Rafika Taher affairage, affairage, affairage, affairage. China China, Mon non. Mais où es-tu Mais il est où ah, ah. Attends, je vais voir dehors. Hé, hey, Suleiman, viens tu n'as pas vu China J'ai vu un homme venu dans un grand véhicule entrer dans votre maison avec des sachets noirs à main et ressortir avec China. Ils sont partis dans cette direction. Un homme euh. <laughs> <laughs> Mon Dieu, je suis foutue. Oui, Subhanallah. Bonjour voisine. Qu'est-ce qui se passe <laughs> Mais dis-moi ce qui se passe. <laughs> Quelqu'un a volé mon enfant. mon fils unique. Mon china. Mais comment ça quelqu'un a volé ton enfant Tu étais où J'étais chez Hajia Hawa, la présidente des femmes, pour accueillir la visite du président du parti Kamajiki. Donc j'ai laissé China devant la télé. Maintenant de retour, Suleiman me dit qu'un homme est venu le prendre dans une voiture. Je ne sais même pas de qui il s'agit. <laughs> Toi aussi, Hajara, tu es vraiment négligente. Comment est-ce que tu peux laisser un enfant de 5 ans seul de la maison et partir je ne sais où En cette période où on arrache des enfants au dos de leur mère, toi tu me dis que tu l'as laissé seul à la maison. <laughs> je suis morte. Que dois-je faire Donc je ne verrai plus mon enfant. <laughs> calme-toi, calme-toi. Avec l'aide de Dieu, on peut le retrouver, Inch'Allah. Mais comment Prends sa photo et allons au commissariat pour déclarer sa disparition. Mais à quoi ça sert de déclarer C'est juste les papiers. Ils pourront rien faire pour moi. Mais si, mais si, c'est très important. Ils mettront des patrouilles dans la ville et des contrôles aux frontières au cas où ces hommes essaient de sortir hors du pays avec l'enfant. N'oublie pas la chose la plus importante, hein, la religion. On va faire aussi appel à des marabouts pour la lecture du Coran aussi. Et Inch'Allah, China reviendra à la maison. Calme-toi. Oh, ok, allons-y. J'ai ces photos dans mon portable. Hajia, voilà les véhicules qui est parti avec China. Alhamdulillah, mais c'est son oncle, les frères à son papa. Son oncle, son papa au prend garde d'eux. Et si c'était un voleur qui est parti avec China hum, Voisine, ça là, c'est une leçon. Jamais, plus jamais, je ne veux laisser mon enfant seul à la maison. Tu n'es pas la seule. Il y a aussi des femmes qui laissent leur enfant se balader dans les rues seules dans la journée, ou bien les envoyer chez le boutiquier du quartier en pleine nuit, ou voir un enfant de CICP ou CE1 qui revient de l'école seul. Imagine, ça c'est les exposer gratuitement. Tobarka, qu'Allah nous préserve. Amin, amin, ma chérie. Hey, tu es où Viens, je vais même te mettre au dos. Qu'est-ce que j'allais dire à ton papa <laughs> que tu étais partie chez Aja ou la présidente des femmes Kamajiki. Hey, voisine, tu veux qu'il me chasse de chez lui hmm. En plus, il ne veut même pas que j'ai fréquente cette femme. Voilà. <laughs> Eh, eh. Apparemment, il a raison. <laughs> Barca. Barca, Merci Rakia Arimi, Asumana et, Rafika Attaher pour ce loti plein d'enseignements. Chers auditeurs, dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de Ali Niali pour la culture linguistique. Bonjour Ali. Bonjour euh, Rukaya, bonjour euh, Abiba. Bonjour Yali. Quel est le mot du jour Le mot du jour aujourd'hui, comme euh, vous l'avez demandé, chers auditeurs, chères auditrices, c'est la criminalité mais ce mot du jour a été déjà expliqué en français et dans les autres langues. Aujourd'hui, c'est le tour d'expliquer ce mot criminalité en fulfulde. Très bien. Der fulfulde ni en dari handen ko indira criminalité balɗe cakitiɗe de en nden en dari habaruji gonaɗi no kokke gumpe bombe nanobe kulle bonde nane nawtortoɓe kaborde no teta himbe no bujja himbe are en nangama ɗum du ni de en daari nder maɓɓe no woodi nawtortoɓe duni fa hannden kaɓorɗe no woodi du wujjoɓe nannude are bonɗe nannude nder leydi meɗen kulle ɗe du fuu ko ɓeyda golle hirñere e ɓiɗɗam bonɗaku noon nder kuɓeje meɗen ɗo endan leydi niger kulle ɗe du fuu limtete nder ko indira nder faransire criminalité miccintinen himɓe duni fa hannden kono woodi laawol laamu leydi jukkude gacce ɗe ngam gacce mawɗe noon vala an fulfulde Merci, il n'y a pas de français. La le français, déjà, ça a été expliqué dans, dans les autres éditions. Donc, euh, Comment on dit merci en fulfulde Mieti. Mieti Ali. ok, Mieti, on Ok, merci Abdou Mouni Ali Passe une très bonne journée. Allez. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en hausa, en dharma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez surtout pas à laisser un mot ou un message écrit au 82 89 89 64. Justement, écoutons le message vocaux de quelques auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Salamu alaikum. Sunana Shafi'u Karbali, ni shi sauraro Sidiyo Kalangu. Ina sauraron Sidiyo Kalangu a ƙarƙashin tashar radio Ikirawa Bande. E, shirye-shiryen nasu wannan da suke sawa shirin shirin yare Niger gaba ɗaya yare biyar suna sa mana. Yana burge mu sosai. Kuma shirin da ke burge ni ni dai Shafi'u akwai shirin matasa wannan yana burge ni. Kullum sai na saurari shirin matasa. Ina gaida Babandi akwai Haladu Ikirawa akwai Makke Usaini Ikirawa. suna na Hadiza daga garin Bosheri. Muna jin daɗin shirin da Sidiyo Kalangu take yi musamman akan mata alman gaugawa da rishin zuwa lakwal. Ina gaida Hajara a garin Bosheri, ina gaida Baraka mai kwando, ina gaida Nana. Sai Madam Halima, je suis enseignante à Durku. Nous suivons régulièrement les émissions du studio Kalangu sur la Madiana FM de Durku. C'est notre seule source d'information. Nous suivons les émissions comme les informations à l'angle des 17h, mhm. les forums, mhm. et surtout maintenant le Niger sur Kalangou de 11h. Mhm. J'aime beaucoup ces émissions-là, comme Loti Rose jusqu'au bout des angles, qui parle des problèmes des femmes. kalangu na sahi wannan yana katar da musu domin a studio kalangu ne muke jin labaran gaskiya ba jite-jite ba muna jin kamar ka ji wani labari a cikin gari ko baka yarda da shi ba in studio kalangu ta faɗi wanda ta ce an yi wani ba gari kaza ko gashi gashi abin da ta faru a cikin ƙasa muna gane gaskiyar bayani a studio kalangu ina gaida فدا جاري دا ابراهيم دا كما كاروجا ابو بكر ليلي اغالي اخسر دغا قالو انت غزري ودن السادر كان استديو كلونغ اروا غرازن اني سلاون تاكين بلي وانت مدرك بلي مرد شرين سوان اغورادي غرازن ولي اكل جنتو سا اتغرو اسلان استديو كلونغ كما تفريغا توتا لمبان سوان نارتي لا تغرو اسلان نسن استديو كلونغ وجوتو سانيجر نغارو اسلان ميغنت يلا تفقن ساعه Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Ici prend fin cette émission de ce jeudi 8 février 2024. Les rendez-vous est pris demain à la même heure. Vous étiez en compagnie de Rukayat Abdrahman et moi-même Habiba Ahmed. La technique était assurée par Issa Lawali, l'édition par Adama Dawaki. Vous pouvez nous réécouter sur notre site web www.studiokalangu.org ou sur le 325 gratuitement avec votre SIM RTL. Passez une excellente journée et au revoir.